En fait, on sent que euh, de plus en plus, euh, les communautés qui vivent euh, dans des territoires sous contrôle, qui sont plus ou moins sous contrôle de ce groupe, de plus en plus résistent et expriment leur opposition par rapport à certaines des pratiques djihadistes, notamment le prélèvement de la taxe ou la zakat, les violences qui sont perpétrées au quotidien contre ces communautés, mais, euh, mais aussi les enlèvements des, des bétails, euh, etc. Euh, et, il semblerait que c'est en réaction à cette résistance qui s'organise localement que ce groupe euh, ont perpétré ces massacres des masses un peu pour forcer les communautés à revenir, et à se soumettre à leur dictat. Ces derniers mois, on constate de plus en plus la montée de nouveaux types de violences dans la zone nord de euh, ou des personnes civiles sont les principales cibles des, violences. Euh, on se rappelle qu'en janvier 2021, il y a eu le massacre de, plus de 100 personnes euh, dans les villages de Chomobongu et Zarum et ce 15 mars 2021, il y a eu aussi un massacre dans des conditions assez similaires euh, de, 50, de plus de 50 personnes euh, euh, qui sont essentiellement des civils. Ceci constitue une nouvelle dynamique dans le conflit que nous avons constaté qui jusqu'à présent a essentiellement opposé des groupes armés à l'armée nationale ou des groupes armés à d'autres groupes armés. mais le fait que des civils soient pris à partie par un groupe Um, uh, de um, de nouvelles uh, tendances, de nouvelles dynamiques dans le conflit. Alors, jusqu'à présent, ces attaques n'ont pas été revendiquées, mais il fait très peu de doute um, qu'il s'agit là des attaques perpétrées par des éléments du groupe de, l'État islamique au Grand Sahara, qui est très présent dans la zone nord tilabéry et en particulier la zone dans laquelle ces violences ont eu lieu. En ce qui concerne le caractère ethnique de ces violences, euh, même s'il n'est pas totalement établi, il est quand même redouté et soupçonné par euh, pas mal d'acteurs euh, locaux et que ces violences rappellent les types de violences qui ont ensanglanté nos voisins du Mali et, et, du Burkina Faso et qu'il va falloir redoubler plus de vigilance euh, et d'efforts pour éviter à ce que notre pays euh, tombe euh, dans ces pièges de, violences dites intercommunautaires. il me semble que, contrairement à ces deux pays, les autorités nigériennes ont une meilleure compréhension et une intelligence du risque que ce type de de conflit peut peser euh, mais euh, il est clair qu'ils ont besoin de redoubler d'efforts euh, pour éviter à ce que la situation ne se détériore davantage.